Alors, comme Nilen Wona, on reste toujours sur le même thème concernant la morphologie. Donc, morphologie, beaucoup de gays, sont physigonite. Donc, l'imelon len, trois types de morphologie. Nous savons que nous touti, nous savons que amyaram, am yaram, et nous am yaram ni. Nous touti nous deux exemples. Saner et Fatouare. On vous avait dit leur type d'entraînement, leur type d'alimentation pour de meilleurs résultats. Alors, nous allons passer pour le deuxième type de morphologie. coach Mo, nous expliquer. coach nous asalaamaaleykum. ñu ngi lay fay. on avait parlé ci euh, ci euh, euh, numéro bu mujjee euh, les ectomorphes ectomorphes yi vite fait mooy comme par exemple mooy morphologie wu ñoom Sanex. Fatouare waaw Fatouare exact. Mm-hmm. so ñooñu ñooñu seen tic d'enfouissement yi expliqué wu nañ ko ba pare donc tey deuxième type bu ñuy wax on va parler des des mésomorphes hein bu nu waxee mésomorphe du genre yaram ne des gens di parfait hein. euh, sportif vraiment répondre par rapport à ce mode de vie hein. un corps de rêve quoi en, quelque sorte hein. ah. parce que un corps de rêve à condition Nous euh, vie comme par exemple entraînement euh, musculation vraiment muscle mais bu nous entraîné wul dañuy té le jël poids aussi donc sen yaram mun nga né baxna wala baaxul ci ben côté ça dépend ci ce ci mode de vie et puis euh, comme présent exemple mun jox ñaari exemple hein boo xoolee bu baax le cas de Morlo mooy le lutteur. Mhm. ah moom il a un un corps boo xam ne vraiment mooy corps mésomorphe ah. ak par exemple pour jigéen ñi mun naa jël ce cas par exemple yow yor yaram boo xam ne que ñoom mun ngeen gis seen bopp comme des des mésomorphes quoi. donc euh, comme ni la wax yaram yooyu c'est c'est c'est bien beau parce que nit ñi moom lay waxee parfait parce qu'il peut être vraiment des athlètes mais comme li ma la wax aussi boo amulee euh, mode de vie bu baax lekkaloo bu baax tu t'entraîneras bien tu dors pas bien sa yaram dafay day day yàqoo da ngay jël poids. Mm. donc lu si baax si comme ni ñu waxee bu ñu entraîné bu ils ont des résultats directs. Euh, bu nu entraîné wul dañuy jël poids donc du genre like en un mois ñoom mun nañ am vite fait ben ben ben 5 kilos de de de graisse hein bon bu nous entraîner aussi mon am contraire mon nañu am ay 2 3 kg de muscle donc ñom sen yaram vraiment c' de c' c'est, c' dafa dafay répondre bu baax quoi mom moy euh, yaram bo vraiment mom la nit ci am si tu veux tu veux faire du sport. je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent nous sommes Mesomorphes yi euh, dégg ngeen li coach wax hein, pour avoir un corps de rêve donc on est ni trop mince ni euh, bon je vais pas dire obèse mais ni tu as donc, ils ont tendance à avoir un corps parfait. Bon, donc, comme le mot il faut une bonne alimentation et tout. Alors, coach, euh, type de morphologie, bien nous mésomorphie, là, c'est un type d'entraînement. Bon, c'est type d'entraînement, comme le mot il faut nous, parce que ça dépend du but, nous bougons, a de la musculation, par exemple, nous, c'est un de faire, de faire, de Donc, ce qui veut dire que nous, avons nous, entraînement, d'habitude, nous, la salle, par exemple, nous, avons nous, 3, 4, 5 fois par semaine, hein, parce que loolu la wax rek seen yaram mun na récupérer bu baax seen yaram mun na joxe euh, euh, muscle bu ñuy répondre hein. donc euh, voilà ba pare il faut il doit faire des cardio bu ñu buggee par exemple chercher seen yaram donc ñoom mun nañu def entraînement boo xam ne vraiment c'est c'est c'est c'est intense quoi entraînement bu intense mun na leen ko permettre parce que seen yaram day répondre par rapport ak li ngay soxla ci ñoom ba pare en même temps seen yaram dafay répondre aussi ci seen récupération donc ñoom d'habitude ces gens là mun nañu def par exemple façon sport bu nekk nekk mun nay def façon entraînement bu nek donc musculation et puis il doit faire beaucoup de cardio comme le contraire des des des ectomorphes mooy nga xam day sen yaram dafa da fay gawo lakk graisse. c'est pas du tout conseillé. non c'est c'est pas je dirais pas que c'est pas du tout conseillé mais je dirais que voilà mun ko bu nu def séchage. Mhm. Ah, par exemple bu nu buggee wàññi taux de graisse pour une définition musculaire, il peut se permettre de nous faire des cardio. Donc vraiment, nous on faire, comme j'avais dit, on peut faire 3 5 fois par, par, 5, 6 fois par semaine. Ah, parce que nous, comme nous, c'est trop bon. C'est de faire répondre. Donc voilà, nous, c'est un entraînement, nous, par exemple, nous, nous, nous, mun de def musculation mun nañu def tout ce qui est euh, crossfit Moi, des entraînements mais intenses. intense euh, mooy burst training yu wax noonu quoi. Légui, dañuy ci type euh, d'alimentation. Ils bi ñoom type d'alimentation C'est mon type d'alimentation. donc comme je m'a expliqué l'alimentation, hein, alimentation normalement vraiment tu dois être vraiment équilibré comme une le non ils doivent manger bien. Mhm. Nous, nous exemple du lait, et lekk c'est pas très équilibré du genre lait, beaucoup de sucre wala ñuy lekk par exemple beaucoup de gras. Mm. parce que comme ça retourne en graisse. voilà ça retourne en graisse parce que c'est yaram comme li ma la wax rek quoi loo ko jox rek moom loolu donc il est très important si nous bëggee par exemple il faut être des athlètes wala bu nous bëggee am par exemple ay masse musculaire vraiment parce que ñoom mun nay build masse mun nay am masse musculaire bu gaaw mais problème moi est-ce que nous ñuy gis définition musculaire bi té lolu c'est l'alimentation qui détermine au fait c'est seen définition musculaire une définition musculaire donc il est important de lekk ay plats yu équilibré après ils peuvent manger ils peuvent se permettre de manger des gras du genre positif hein. manam bo xolé bu baax pataas bi mu neng ko lekk bo xolé bu baax mu nañ lekk par exemple euh, le luy avocat parce que c'est des gras positifs euh, bo xolé bu baax mu nañ lekk yap tu vois mun nay lekk ginaar xam nga mun nay lekk dinde il faut manger beaucoup beaucoup mun nay lek nen bu bari aussi hein, parce que comme man bi présent, man je mange. nen bu omelette wala nen ñu baxal wala les deux. Bon, xam nga omelette beaucoup ko parce que gars yi ni koy toggee au Sénégal. Mhm. omelette beaucoup dégué déggee vite fait euh, moi da ngay da ngay tooyal euh, Paul bi rek pour mu baña du am diwlin pour parce que butu nga def diwlin boy def omelette moy pour mu baña collé ci ci ci ci plat c'est très important hein yéen a dégg alors omelette da ngay def tuuti rek soxlawul ngay def diwlin bu beuri parce que. euh, euh a trop de gras. day naan euh, day naan diwlin bu beuri donc ce qui fait que ça vous donne trop de gras et loolu baaxul. voilà voilà exactement quoi donc donc voilà ñom il peut se permettre de manger euh, vraiment vraiment des des, des aliments yu beuri mais tout dépend que li la wax par rapport ak c'est un type d'entraînement. C'est un type de de de sport bi font. def ak but donc mënoo ko déterminer quoi mais il faut qu'ils comprennent qu'ils mun par exemple en en un mois ils peuvent jël benn cinq kilos de graisse hein? bu nekkee il mange pas bien donc l'équilibre, équilibré lekk bi trop de sucre di naan jus yoo xam sucré tu vois loolu loolu morphologie quoi. ok mais voilà quoi donc ils sont très très responsables par rapport ak seen yaram seen yaram ñoom lu nous dugal seen yaram rek loolu la leen di si tu manges mal da ngay am da ngay am da ngay am da ngay am biir da ngay am yaram si tu manges bien tu vas avoir des muscles tu vas en plus de ça comme nous l'ai expliqué ñoom mun nañ am ay muscles sen soufou yaram yi. ok léegi seen ñoom un problème majeur mooy nan lay mu amee définition musculaire so pour avoir pour avoir une définition musculaire du entraînement mais le directement mais plutôt sa alimentation Maintenant, comment tu t'alimentes c'est ça qui détermine ce développement musculaire quoi parce que dans le Sénégal il y a une maison maisons il y y un am développement nice mais du feeñ tu sais pourquoi parce que c'est alimentation moom Donc donc dinañ am ay muscle mais duñu gis duñu gis euh, définition Tu as think kuy def musculation vraiment bëgg na am définition musculaire Madame, di nga gis sa yaram bi carrément quoi. gis résultat yi ngay xaar quoi. voilà donc c'est des aliments yoo xam ne yow yaa ko nan nga nan nga koy mm-hmm. donc il faut manger présent beaucoup de de de de de de d'aliments yoo xam ne c'est riche en nutriments. pour sa yaram quoi. Les nag balaa ñuy tëj émission bi nous ñëw présenter leen plats plat du jour pour les mésomorphes plat boobu nag nous nous présenter leen ko ngeen bàyyi ci xel nak bu baax xool nag ci suñu alimentation xool nu ñuy toggee xoolaat lekkin les bu baax hein, pour ne éviter de trop prendre de gras trop avoir de stock de graisse parce que comme les ñu pour une bonne définition musculaire nous devons manger sain et équilibré et c'est ça le but se sentir bien sama wér gi yaram la pourquoi ce type de repas donc ñu bàyyi ko mu wax ñu ci touti donc bii dañuy indiwoon benn plat bo xam équilibré. da fay wara am protéines da fa wara am lipides da fa wara am glucides mais si plat bi wax ma lan mo si protéine lipide bi ak glucide. waaw ginar bi protéine la pataas li pataas ni indil pataas bi amna na mën nga considérer amna glucide bi ngay soxla. avocat bi amna lu mot ay euh, euh, vitamines ak ak des minéraux donc c'est c'est un plat très très équilibré. ko xamné ne par exemple mooy médefo médemoof boo xam ne par exemple dafay def entraînement bu intense. Mhm. tu vois même sax bo xamné ne yow tu ne tu t'entraînes pas hein, parce que lekk yi boo ko bu baax c'est tellement équilibré il y a pas de sucre euh, rapide parce que sucre rapide bo xolé bu baax mom moy gëna jox nit yaram. mom moy tourner en graisse. moy tourner en graisse souvent bu nekkee lañ ci lekk lu bëri bo boo constaté plat bi dañ def plat bu touti la leen defal parce que comme ni wax la waxee ah, euh, météo fi par exemple waru waruñu lek bu sour mm-hmm. parce que ndox bi ñëwagul jappal bayel quoi donc ginaar bi boko xolé bu baax le plat le plat est tellement équilibré ba paré cherul donc man ni may défé sama plat yi souvent damay adapté wu par rapport li nga xamné mom mo moo nekk ci saison bi quoi. bon pataas bi bëri na vitamine ça. potasse bi bëri na par exemple am na euh, pas mal de magnésium ba pare am na euh, sucre sucre lent la. moom moy différence bi moom par exemple ak frite bi frite bi c'est sucre rapide la donc il dit sucre rapide Dit que da ngay gëna a gaaw dafa lay gëna jox pour nga jox euh, poids donc bo gisee lan motax tax ma fi euh, avocat bi aussi euh, c'est gras positif là. Hein. bo xolé bu baax moitié rek la tek parce que non seulement dafa riche trop. Mhm. donc il faut pas. faut pas en abuser il faut pas en abuser quoi. te li ci gën a am solo fii yëpp lekk bi yëpp amul benn lekk bu am cholestérol ci yi quoi bon ginaar bi cholestérol c'est vite fait hein mhm. mais euh, euh, patate par exemple amul cholestérol euh, avocat amul cholestérol. Mhm. donc mun nañu ne plat bi yëpp bu ko bu baax dépasser 1500 Tu le but c'est de montrer aux Sénégalais euh, donc tu peux manger très bien et pas cher et vraiment très très équilibré. Et après mën aussi boire les belles fruits par exemple hein? et bien sûr tu peux voilà quoi parce que but il faut manger il faut boire beaucoup d'eau hein, parce que la montagne tax ñëwee la par exemple un nekk un maison de matul muy lekk ba suur muy entraîner a entraînement. Mhm. comme je je l'avais dit vous hein, pour entraîner bëri dafay am muscle. C'est bu entraîner wul. dafa fait, na am gras bu il mange mal et puis comme li ma la wax c'est c'est équilibré c'est c'est une petite portion ba pare ça veut pas dire que l'équipe bi nag dafa baax dafa équilibré que tu nga ci hein. il faut vraiment manger. à ta faim pas l'équipe, ba bu bay quoi. voilà donc voilà lii lañ leen alors euh, mang ngi remercier coach. Alors, merci euh, pour tes conseils. J'espère que ça, va rendre service aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc, comme Ningen Kogise, on vous a amené votre plat du jour. Euh, nerna, cholestérol, il euh, n'y a pas de gras. Hein. Euh, c'est très riche, c'est pas cher. Donc, vraiment, vraiment, c'est hein. de la viande grillée. Hein? C'est grillé. Parce que ça, il faut éviter. Voilà cholestérol aussi en parlant de cholestérol euh, il y a trop de maladies en ce moment hein. les gens sont fatigués vraiment vraiment il y a trop de maladies alors s'il vous plaît Bienvenue cette année. manger sain manger équilibré donc ñun suñu émission suñu priorité c'est que vous soyez en bonne santé c'est pour votre bien-être donc je euh, ngi ak may en vous disant bon appétit di modulo aussi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro hein? et boulen leen sur suñu page Facebook alors on a une page Facebook euh, qui se nomme Feeling Good donc, je vous conseille de consulter notre page. Si vous avez des questions à nous poser, nous serons là pour vous répondre. Euh, dans les moins de 24 heures. Hein. Alors, euh, je vous fais un gros bisou et Gigi vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.